ñu <coughs> le cerveau mais elle tangolo bindulo punchulo bonde ni balpo wante bitch ni ga tango chaque jour même flow bit même flow nga fogné da show do gat mun no gat ni zofilo dama len raw te distance bang ni ventilo H24 charbon les bourses s'accrochent à moi, nigo comme un sapin. Pour Pécho, tu fais le patron. Et t'as à ses pieds, nigo comme ses escarpins. Rap dans les égouts. C'est pas des bâtonnets, nigo, je compte pas sur eux. Nique sa mère, t'es sauf bébé. Je fais des sous, je veux être millionnaire. Dollar CFA, eux. Gonoumala, high fist, de le gun hif. Bitch, de shit. Les bleus, du fait coffee. Charismatique. Sadique, t'es nek, dit. Job, n'y a que Dieu, nous dev comme le liquide. C'est même c'est y'a moule couille, même y'a la